Ce journal sportif, parlons également de la Coupe du Maire à Bignona. L'ASC Saint-Etienne relais et sacrée championne devant l'ASC Kadjamor. Oui, Kadjamor, oui, à Bignona, l'ASC Saint-Etienne de euh, euh, Saint-Etienne relais donc et sacrée championne de la Coupe du Maire édition 2021. Après avoir battu l'ASC Kadjamor sur le score de 3 buts 1, la finale s'est jouée au stade départemental dans le plus grand fair play. À l'occasion, Mamadou Lamine Keita a annoncé l'ouverture du stade municipal de Bignona en 2022. Abdourahman Diallo. La rencontre a opposé la S Saint-Etienne Relais à la S au stade départemental de Bignona. Le parrain du tournoi s'en félicite de la très belle prestation des deux équipes. Nous avons assisté à une très belle finale, remportée par l'entente Saint-Etienne Relais face à une ASC qui n'a pas démérité. Même si saint etienne Relais est le vainqueur de cette finale, le maire de Bignona attribue cette belle victoire à toute la jeunesse de sa commune. Pour moi, il n'y a pas de vaincu. Il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est la jeunesse de Bignona. La joie était très immense chez les Verts Blancs. Leur capitaine Famara perd même les mots devant notre caméra. on est émis, c'est l'ambiance, on est très content. Vraiment, on est très content. Mamadou Lamine Keita saisit cette opportunité pour annoncer la bonne nouvelle à sa jeunesse. Je souhaite que l'année prochaine, nous puissions organiser cette finale au stade municipal déjà terminé avec des projecteurs allumés, avec des tribunes de plus de 1000 places. La rencontre a été sanctionnée par cette très belle image. Les deux capitaines soulèvent ici ensemble le trophée de la finale, une image qui, selon Mamadou Lamine Keita, symbolise parfaitement l'esprit du fair play. Abdurrahman, euh, donc, euh, Diallo. ñu àddu jëmale ci coupe du maire bu ay ASC Saint-Étienne relais moom moo jël ndam li. waaw ASC Saint-Étienne relais kon moo jël nag coupe de maire édition 2021 foofu ci diwaanu Bignona gannaaw ba mu daanee nag ñii di waa Kajamor ñetti bal ci benn final bi nag euh, ki ko présidé woon di nag euh, maire bi di euh, Mamadou Lamine Keita di xam ne nak ci lu yàggul dara ci atum 2022 kon dinañ nag ubbi stade municipal bu Bignona rafetlu tamit fair play bi ñu ci amal ñoo fekk fa Bignona Abdourahmane Diallo. aje bi mu ngi amoon ci diggante AS Saint-Étienne Relais ak AS Kadiamor ca stade départemental bu Bignona. nous avons assisté à une très belle finale. même su fekkente ne Saint-Étienne moo jël ndam li ci bile final jaraaf bu Bignona daal di attribuer victoire bile ndaw yu yeewoo ca biir commune nañu jàpp ne lii kenn gañewul kenn perdul.

suñu tribune pare suñu lepp pare. image bu rafet lé mo sanctionné li nga xamante mo di ndaje bi ñaari capitaine yi di ndor trophée bi mu nek image bi nga xamante bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine Keita fay symboliser parfaitement li nga xamante mo di esprit bu fair play. ñu desandi batay